promotion générale de corps d'armée Lamine Cissé, 5e promotion d'Ago, 39e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs rassemblés pour la cérémonie de présentation au drapeau. Capitaine Abdul Aziz Mbaye, directeur de la 39e promotion. À vos ordres, mon capitaine. Monsieur le colonel commandant la Légion Centre-Ouest, messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire accrédités au Sénégal, messieurs les commandants d'école, messieurs les chefs de corps de la place d'armes de Thiès, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, mesdames, messieurs les chefs de service, monsieur l'architecte maître d'ouvrage délégué des chantiers de l'Éloi, mesdames, messieurs les notabilités religieuses et coutumières, chers parents, honorables invités. Permettez-moi tout juste, à l'entendre de mon propos, de rendre grâce à Dieu qui nous a encore permis de nous retrouver sur cette tour remplie d'histoire pour s'acquitter en rituel qui constitue un état fort de la formation, à savoir la présentation au drapeau à la 39e promotion de l'École nationale des d'actifs. Je voudrais également vous souhaiter la bienvenue à l'École nationale des sociétés d'actifs et remercier ce beau monde venu rehausser de sa présence cette cérémonie malgré un agenda chargé. Je voudrais profiter de cet instant solennel pour exprimer toute ma gratitude au colonel commandant la zone militaire numéro 7 qui a bien voulu nous faire l'insigne honneur en présidant encore personnellement la cérémonie de ce matin, qui témoigne, en n'en pas douté, de l'intérêt primordial que les autorités sénégalaises accordent à la formation militaire. Je voudrais pour cela, mon collègue, vous exprimer mes sincères remerciements en y associant également le commandement qui ne cesse d'investir des moyens considérables pour nous appuyer dans notre difficile mais exaltante mission de formateur, comme l'atteste la construction des nouveaux bâtiments, qui vont améliorer substantiellement la qualité de la formation et accroître le développement de l'école. Toujours et comme à l'accoutumée, nous rendons un hommage très appuyé à nos justes prédécesseurs qui ont bien voulu tracer la voie de l'excellence que nous sommes en train de suivre dans le but d'améliorer le niveau de la formation. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de l'engagement pour le professionnalisme, la volonté et la rigueur qu'ils mettent dans le travail. Pour revenir sur la cérémonie de ce matin, à savoir la présentation au drapeau à la 39e promotion de l'École nationale des sociétés actives, elle constitue une étape importante dans le cursus de formation des élèves officiers et s'inscrit dans la lignée des belles traditions militaires mon colonel, chers parents, honorables invités, vous avez devant vous, majestueusement alignés à la lumière et confiante, les élèves actifs de la 39e promotion. Cette promotion, dont la moyenne d'âge est de 28 ans, est issue pour la majorité du recrutement professionnel, dont l'intégration à l'école a eu lieu tous les, toutes les années impaires. Elle a franchi l'enceinte de l'école le 9 septembre 2019 et a suivi convenablement toutes les activités programmées jusque-là, notamment l'initiation aux traditions et la formation initiale du commandant. Je profite de cette occasion pour leur adresser mes vives félicitations pour avoir réussi à un concours très sélectif, mais surtout pour avoir fait montre d'humilité, d'abnégation et de sens du dépassement de soi face aux exigences de la formation durant cette phase déterminante de la vie de l'école. Cette promotion à l'honneur ce matin est forte de 63 élèves officiers d'actifs, dont 46 Sénégalais et 17 ressortissants de 13 pays amis répartis comme suit. Un du Bénin, un du Burkina Faso, deux du Cameroun, un du cap vert un de la Côte d'Ivoire, un du Gabon, un de la Guinée-Bissau, un du Mali, deux de la Mauritanie, deux du Niger, deux de la République de Guinée, un de la République du Congo et un du Togo. La présentation au drapeau marque la fin de l'initiation aux traditions de l'école, qui constitue le socle de la formation des élèves officiers et constitue en même temps le cordon ombilical entre les anciens et les jeunes. D'ailleurs, pour marquer l'importance de ces traditions dans la formation des élèves officiers, je citerai Bruno Mignot qui disait, je le cite, « Les traditions sont ancrées dans les armées comme un lien de sang car la tradition est à l'unité ce que l'honneur est à l'homme. Il serait donc bien hasardeux de les remettre en cause au risque de perturber l'équilibre de la formation comme la transmission du savoir-faire et du savoir-être. À ce propos, pendant près de trois mois, tout l'encadrement et les anciens se sont évertués à perpétuer les traditions de l'école. Cette période, difficile mais hautement nécessaire, a été une occasion de découverte le soi, de ravissement de la cohésion, du culte de l'humilité et du don de soi, mais surtout du respect de l'ancien. Aussi, l'initiation aux traditions constitue un moment privilégié pour inculquer les zéler pour les rudiments de l'éducation militaire et renforcer leur capacité à surmonter les défis qui jalonneront leur carrière. Les qualités de discipline, de détermination et de rigueur dont vous avez fait montre depuis votre arrivée à l'école vous ont conduit à être présentés au drapeau aujourd'hui. Je vous demanderai au moment où cet auguste symbole passera devant vous, dans un silence majestueux, de méditer à l'estimable patrimoine que vous ont légué vos aînés et aux valeurs qu'il incarne. Pour la première fois, vous allez saluer le drapeau de l'Élan, votre drapeau, ces couleurs qui représentent l'histoire glorieuse du passé et la suprême espérance de l'avenir. Le drapeau doit être pour vous l'image de la patrie avec ses héroïques souvenirs et ses légitimes revendications. Vous avez désormais le devoir et l'obligation de le défendre en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances au prix de votre vie. Ce drapeau est aussi celui de la République qu'il symbolise. Il est toujours porté par un officier signe de grandeur et de prestige, toujours encadré par une garde. C'est la République et ses protecteurs dont vous faites désormais partie. Il est constitué de trois bandes verticales et égales aux couleurs différentes et frappées en son milieu d'une étoile verte à cinq branches. Ces couleurs sont le vert, le jaune et le rouge. Le vert, couleur de l'espoir. Il représente la foi d'un peuple qui croit à son avenir et en sa jeunesse, mais aussi celle d'un peuple profondément attaché à sa terre verdoyante, signe de fécondité. Le jaune, couleur de l'or et du soleil, il symbolise nos richesses, la prospérité et le bonheur, richesse par la créativité, mais aussi richesse par la diversité, la culture, l'art et les lettres. Le rouge, couleur du sang versé pour la liberté, mais aussi symbole de l'amour et du courage. Courage d'un peuple uni, fier de sa vitalité, de sa force passionnée, de son amour au travail et de son esprit de sacrifice. L'étoile verte, figée au milieu de la bande jaune, elle exprime l'ouverture, elle symbolise aussi la perfection, la lumière, la connaissance. La couleur verte est synonyme de l'espoir suscité par la jeune indépendance de la République. Ce drapeau devant vous est l'emblème national. Le défier, le profaner, c'est porter atteinte à l'honneur de chaque Sénégalais. Sur ce drapeau, jalousement gardé par vos anciens, sont gravés de manière spécifique en lettres d'or sur la face extérieure République du Sénégal, École nationale des officiers d'active. Sur la face intérieure sont mentionnées la devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi, et celle enfin de notre glorieuse armée, on ne tue, on ne nous déshonore pas. Au quatre coins de chaque face du drapeau, l'idéogramme de l'école symbolisé par la lettre grecque phi, bien matérialisé sur ses cours encadré de notre devise. Hel, l'intelligence et le goût du savoir, John, le sens de l'honneur, Fit, le courage. Aujourd'hui, vous franchissez une étape importante de votre vie à l'école. En effet, pour la première fois, vous êtes admis dans ce qui vous a semblé jusqu'ici un sanctuaire inaccessible, un espace mythique qui abrite à la fois l'âme et la mémoire de l'école. Vous avez eu le privilège, sous les bienveillants de vos anciens, d'entrer et de vous tenir dans la cour de la devise sous le regard de ses fidèles gardiens, en l'occurrence l'imperturbable Grand Jambard, prônant sur cette place depuis des décennies, et ses redoutables lions rouges dénommés Sidi. Permettez-moi également de rappeler ces belles paroles de Woodward Wilson dans son discours du 14 juin 1915. Il disait, je le cite, Ce que représente le drapeau a été créé par les expériences d'un grand peuple, a été battu avec du sang. Le drapeau n'est le symbole d'un sentiment, mais d'une histoire. Fin de citation. Élève officier de la 39e promotion, je finirai en vous donnant quelques conseils qui pourront vous guider dans la vie que vous avez choisie. Je vous exhorte à garder fidèlement et jalousement les vertus et qualités qui vous ont, qui vous ont été inculquées jusque-là. Le chemin est encore long et tumultueux, mais pas impraticable, surtout si vous gardez le triptyque engagement, abnégation, discipline comme fil conducteur. L'engagement, car sans engagement, toutes vos missions risquent d'être vouées à l'échec. L'abnégation, car elle vous permettra de surmonter les obstacles qui ne manqueront pas de se dresser sur le chemin qui vous mènera vers la réussite. La discipline, car elle est la force principale des armées et la base de l'École nationale des sociétés actives. mais aussi elle vous permet d'acquérir et de maintenir les deux premiers et toutes les autres vertus de l'officier. Pour ma part, je demeure convaincu qu'à l'instar de vos anciens et des gambards qui vous ont précédés, vous honorez votre drapeau de la plus belle des manières par un comportement exemplaire. Pendant vos deux années de présence à l'école, gardez en permanence à l'esprit que la perpétuation des traditions constitue pour chacun et pour tous un impérieux devoir. Je ne saurais terminer sans magnifier la présence des représentants des pays amis du Sénégal nous font confiance dans cette tâche exaltante, mais non moins à de former les futurs cadres de leurs armées respectives. Pour l'heure, vous pouvez légitimement vous sentir fier d'intégrer véritablement l'École nationale des officiers actifs, sentiment que nous vous demandons de partager avec tous les membres de vos familles ici présents et que je remercie et je salue respectueusement. Hel, Job, Fit, on ne tue, on ne nous déshonore pas. Merci de votre aimable attention. chef d'active Samba Laobé Diop bokk ci 39e promotion bu école nationale des officiers d'active. voit, mais la yàlla sant yàlla parce que yàggoon na yàggul parce qu'on était préparé psychologiquement nit moom métier beaucoup de guerre rek fait fa de la bête quoi aussi d'une nga ko gérer d'un gérer nañ ko quoi on est fier d'être là pareil gis suñu famille vraiment mu donne benn honneur bu ci ñun. waaw sur des valeurs hein, formation bi moom ci côté yépp lay làmb parce que formation militaire moom dafa complet dafa complet dina am moral bi côté intellectuel comme valeur civique bi lépp parce que militaire da nga war a doon koo xam te si nii di nga mën a évoluer ci terrain yépp ci terrain yépp parce que li ñuy xaar sur le terrain dafa bari. waaw comme ni ko colonel bi waxee rek comme ni ko colonel bi waxee parce que jàpp naa ne tey jii képp kuy engagé wu rek sous les drapeaux. C'est ce war pour défendre les couleurs de la nation Nous avons ñun amuñu pays amuñu lenn drapeau Nous lépp lu laaj dañ depuis septembre depuis élève officiel actif, Diengui Edgar. Pour moi, cette cérémonie vraiment est un signe de, grâce parce que j'attendais ce moment depuis vers Aujourd'hui, ça fait une faveur pour moi et pour toute la promotion c'est bien pour nous de pouvoir avancer en échelon. Euh, nous avons appris plein de choses et ça nous fait honneur. Nous avons appris des valeurs, des valeurs militaires, qui sont appropriées dans l'avancement du métier. Je suis gabonais. Évidemment, évidemment cette question m'avait déjà posée lorsque je suis rentré euh, dans l'armée depuis 2010 et aujourd'hui je continue à y demeurer. Venir subir une formation à l'INOWA, c'est une faveur, un honneur pour représenter valablement mon pays, le corps que je représente. Euh, je crois que j'irai jusqu'au bout pour pas décevoir euh, les autorités. Wow, d'accord je euh, une question bi je me posé nii ci sawar tout parce que ENOA ku ko dégg nga Sénégal même au-delà des frontières du Sénégal dinañ xam une école militaire su ngeen déggee ñi fi wax ne génn nañ fi ou bien ñu ngi ci biir même ren une particularité waa Mauritanie envoyé nañ fii ñaari stagiaires donc ñu ngi ci biir di def les même chose que suñu élèves yi ñuy formé li ñu leen jox nag moom mooy dañ leen di wax ne il faut que ñu respecter seeni anciens il faut que ñu respecter les symboles de l'État moom moo tax ñu présenter leen euh, le symbole de la République moo tax ñu présenter leen drapeau bi expliquer leen ko légui nak euh, def nañ aussi formation initiale du combattant parce que boy dugg boy sogo dugg armée dinañ la jangal garde vous dinañ la jangal noy saluer dinañ jangal noy reconnaître les grades loolu nak ci phase bobu la ñun dekkoon ci premier ci trois premiers mois yi paré nañ ko ci jamm ak salaam de à partir du lundi dinañ commencer ces niveau équipe parce que fi formation bi xamné ne ñaari at la et ça c'est tout juste une une mise en l'ambiance comme nous koy faral di waxé donc génné nañ ci ak jamm vous les avez vus ils sont très fiers place bi ñu taxawoon bi fi ñëwé ba légui ñetti weer mosuñ fa taxaw donc daawuñ fa jaar daawuñ fa sax xalaata jaar maintenant seen ancien yi expliqué len leen symbolique yi nekk ci cour bobu nonu ñuy wax cour de la devise donc fi mu nekk ni mën nañ jaar ñëw ci cour bobu nonu pour def seen activité. waaw fofu aussi dañ ci gëreum commandement bi parce que ENOA gis nañ légui ni mu tollu mën nañ wax né formé nañ 1000 officiers biñ ko tijjee en 1981 ba légui légui c'est pourquoi commandement bi ne dañuy defar ENOA pour ñu mën def la montée en puissance parce que liñ ciy jublu mooy former officiers yi officiers yi ñuy Sénégal yëpp fi ENOA aussi mu ENOA tour bi ni mu rëyee motax aussi ñu commandement bi accepté ñu def fi ay moyens yu xaw conséquent quand même pour ñu pour ñu pour ñu gën ko yëkëti c'est pour nous mettre ñu nous ñu former dans des conditions optimales pour la formation et aussi le rayonnement de l'école puisse vraiment avoir euh, euh, mu am euh, vraiment ku fi ñëw dinañ quoi. bon fi mu tout dépend du commandement besoin yi ñu jox ñun former parce que souvent les pays amis comme nous, ñu koy waxee bëgg ñu former trois personnes quatre personnes mais souvent daawuñu ko commune parce que capacité d'accueil nous daaw ko accepter. maintenant nag yaakaar naa ne fi mu nekk nii bu ñu demee ba tabax bâtiment yëpp je pense que commandement bi dinañ lu ñu jox dinañ ko mun a